somos Arlit. Nous sommes où Arlit. Nous sommes où Arlit. Voilà, amis jeunes auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangu, vous l'avez compris. C'est tous à la fada. Aujourd'hui, c'est pas Dondi, c'est Abibou Garba. Hunkuna Arlit ngono irka, irka lit mo irka fakara ino furtaje. Hunkun fakara mo irsa te kala, hankang ti furtaje wona kampane kai gona gete bon, wone on est gona sola. Furtaje, on va comprendre avec vous quels sont les genres d'entrepreneuriat que vous, vous entreprenez ici à Arlit. Comment est-ce que vous arrivez à joindre les deux bouts Qu'est-ce qui vous bloque Parce que euh, tout au long de cette fada, le thème s'intitule Les difficultés de l'entrepreneuriat des jeunes à Arlitsa. Arlitsa, vous le savez, c'est très très très loin de Niamey. Arlitno À <laughs> Arlitno Gomoru. Kilo Zambarfo du Zonguyin kan da Dakayan. Ya dinga kokari beri inga no irte o matano igona ite furtaje ilmu wala matkan aini kida hunkuna fakara mo irgate neo arlit tubari kala aikaga bazar mayangar ya pak de hausa ya pak de tamashek ya pak de voilà. tout le monde est là c'est comme ils l'ont dit arlit c'est vraiment le Niger en miniature arlit il y a tout le monde et nous sommes avec euh, abdurazak jibo abdurazak jibo bonsoir il faut narangogo tene warlit o to ironi o kiwonergote hmm. andi razak nge o kurey follonko ngereni gonegwala élevage hmm. ora élevage ora hmm. maintenant goneg teda a élevage alhamdulillah irgo du ankan anka irgo du ger me madalla yadin mono irun kuna fadara irganda hasan zaku hasan zaku matin wikira abara sama matarugo hasan zaku nigin cirse forar fura na ran waran gone warit korora to assalamu alaikum jama'a donc euh, Alex, sintin bo ai garan fanda kayan ba ku kan furin yamai ka vraiment ba ku ga bai alit nyame nyame alit ba ku kan difanda o bara gani alit bore si chapeau donc wa donc vraiment on kuno alit million kan bara kul gonu et ni kul kan daga bai niger wara igo alit yan ga avec quand même la paix kan bore gone on remercie le bon dieu bon vraiment on remercie le bon dieu donc par rapport à sans il y a la paix vous avez entendu ah, la applaudissez oui. donc kuno euh, zanga entrepreneuriat est ngudi zanga jende ngono kigu formi formation souvent l'exercice une formation est juste euh, une semaine ou deux jours d'un côté mo eh, ay des zanga c'est insuffisant Aujourd'hui, si on peut multiplier, dinga multiplier boresi, et puis dini multiplier qu'on est, nous tient en application théorique, c'est théorique, pratique. Parce que dit côté pratique, on connaît un gagnant gagnant, quand j'ai né de ce ding, est-ce que harka qui côté quoi ou la Donc, on est également à la FADA avec euh, des autres jeunes qui ne euh, parlent pas germain mais qui sont là pour parler de leurs activités, de ce qu'ils font ici dans la ville d'Arlitz, Arlitz, euh, deuxième Paris, n'est-ce pas? Ou bien c'est petit Paris? Ah, c'est deuxième Paris kasan da mai gari kowa sarki to san no ban harai sidi gausi aliti borai tubari kala harai sini gausi ato ala dibi wala wala es ir irdia c'est déjà tu aliti matfala <laughs> ou ara matfala wala et chers amis auditeurs vous pouvez également participer à nos essences en composant les 80 06 88 54 en voyant numéro numéros sur WhatsApp et vous recevez toutes les productions du studio Kalangu. Tout ça, la FADA, comme vous le savez, c'est 35 minutes d'échange. Il y a de la musique, des discussions et aussi la chronique. Applaudissez pour le gars qui va venir. Il va nous dire de quoi il va parler. Et le gars en question, c'est Olivier Asokbavi. Mr. Oli Choco. Eh, le vieux père. Maintenant. Gam gam no. Oh, je suis Ali, tranquille. Eh, Oli, eh, aujourd'hui, de quoi on va parler Eh bien, est-ce que la route d'Arlit a un impact sur les jeunes qui vivent ici C'est la question que je me suis posée. À la fin, on fait le point. Vous l'avez compris, ami auditeur, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans la chronique de Tous à la Fada avec Oli Choco. Voilà, on va aller Tous à la Fada. La question est la suivante. Alors, Albora. Hum, maintenant abdurazaku jibo mm, sava azaku kuna sunday for dum na rango go gudu kurado har jamni onne kurado han non go to eh, sandai fo dum sunday for dum na rango du fege kande yango gari oh, ifo no gitu problem fege kande yango do masale kirgo na ga kubande giti zanga digo ka digu din igi da mota dini da mota yadda zanga chargement ki gite ise almane ki dan mota singiza hali kanyo igi te girbin ka girbin za deja ndi matakan fonda su da yek taga almoni e nanu nanu gidan kerra gere ka da gentelalen gere ka fundisi ga gere ka kekeri fo de fo inga de no kon mo irgudu problem yan to duwano do hara zanga taxen dayo irgi irge ka ni wana mhm. eh, sande kulke ni go nuda amegida ali usman oui vous vous êtes dans l'agriculture surtout oui. le maraîchage euh, le nom de l'association c'est coopérative Noma Touche Arziki Noma Touche, touche Arziki. oui zanga farmi wong de no gitar ah c'est ka c'est ka france ko farmi gitar zaka fonda <laughs> yanzu kana yi ka kotanta muna minene masalolin da kuke nan ga samu quelles da fitke ke buran kwantar cikin wannan noman tushen arziki in oh, babu noma babu arziki a'a bari zan ce akwai masala kun ba noma eh gaskiya ne wannan a ci sai fo shi gaba ɗaya in dauko ma gaba ɗaya duk wanda bai ciwo bai huta ko ina duk duniya duk wanda bai ci wani abu bai huta kenan yau in babu noma babu mutane ma zan ce ma to matsalolin da muke samu nan garin arliti mafi yawanci sai ka ji mutane suna cewa babu ruwa babu ruwa babu ruwa mhm. a akwai ruwa kamar da muke faɗin muna kukan manka na partner da za su zauwa su zo su kama mana su zo su muna gina mana rijiyoyi mana forage forage gashi nan cikin dajikan mu je mu ta ayyuka in muna ta ayyuka muna iya rike ba arlit kare ba duk Niger sai mu rike ta da noma wangan rani to amma muna son su partner duk su sa akan su idan sun zo su kama mana su mana forage forage mana muna da ruwa garin arlit amma yanzu ta cewa babu ruwa mine ne wannan matsala kenan ba ruwa ne a matsalan a ba ruwa ne matsalan ne ne a matsalan partenar kin ne ba su zuwa su gina mana forage auditeur a mamad kan ci da hmm. ane ngai wodo bore gine har sanda man har sanda ino ngai sefa zangig bor daino si ngai ga ngai mto haroga bore o mo ngai no ga farmi beri be redin te kan ga ang di pom de tel lutu lutu din ki kan nya mai faro do to ngai no ga goide in kan hasan hun kunaron goye karan gonin tera sandai fo endum naran gonag to sonda dai eh, ya ve mon cher ami là na aiwa évoqué qu'en faut sans supposant zangero sans zangero sans électricité construction métallique mm -hmm. donc souvent électricité zanga tandeng zanga bashi bashi din mm -hmm. mais à l'époque zanga c'est des temples qui que que les one mhm. mais sont avec il dit quand dungay gono c'est ici les dans qui quand pour dit gogoro tanda qui il fait tellement chaud uh-huh, c'est uh-huh. pas bon donc souvent dit quand zanga Nigeria c'est la voix mhm. aussi son fond d'abonné ginga di à aginka imde combat il faut trop attendre. Ça aussi, pour nous, ça ne va pas nous arranger. Hmm. Donc, il faut se, se dire vraiment à la voix. yadin no eh, aran mamo matkan no asan zaku mon da asan zaku ngai wo sandai ki gona gudu kama da ndai shi gudu fa fonda mo gono fonda agani anskanu. skanu oh ami auditeur, eh, auditrice auditrices du studio Kalangu, vous l'avez compris, hunkuna ala do manti don dino gono, abib garba ino gono, inda arlit fataja irmono gona gfakare. Alors, mon frère, en quoi est-ce que le problème là que vous venez de soulever là

irgudu irwana kerega irwana famiye ga kan gerga aksene kan dirse irmu ko degina mm. ok to abori eh, iri fadara mon kuna kabu kabu i iwana wakili fogono on a e representant eh, de kabu kabu e eh, on n'a pas entendu leur problème c'est quoi qu'est-ce que vous vous rencontrez comme problème salam alek donc en fait euh, problème endemic ki skanta cikin ngonga ay na muna taxi moto adedeta na farko de problème kan hanya mm -hmm. hanya cikin gari ma Fondano no state bala tuta mm. hanyoyi sai an kalli su ban aka nura cikin gari farfawa ana ganin mun yi group haka mun dan bara haka muna la na bisa hanya duka muna dan rurrufe su haka mu da kanmu mm. fur facility la ta cikin aikin mu ne duka wala banda mu kun ga yan gari ma suna amfani da wannan mm. aikin da muke don bancin shi kuma sai bisa haraka circulation da yawanci de da za ku gani yau yayi yawa cikin gari duka kuma mai kawo na rashin code ne da conduit wala kenan si possible formation na bisa haraka security ruce mm. muna da matsala shi ma mm. ana yi mai bai isa ba eh, muna san ƙari igba mo im tontoni ngai kan ti wala eh, ngai bonga mi feri an kan ti fonda gan yango matan na matan no kai fo kai fo da kai fo no borgan kangna kan na fonda o magana sandai fo kusara o oh, da wai ne o kada da ba ka ne o mhm, mhm. ban da inda ba hans ban na rang ba masha Allah euh, amis auditeurs auditrices avant de continuer on va aller voir de l'autre côté de Dondi qu'est-ce que lui là aujourd'hui pour nous comme rubrique hunkuna don inganda artiste fono fakare ifono inekerse irma ok bon bonsoir à toutes et à tous donc j'espère que vous m'avez déjà reconnu j'étais là hier <laughs> Je sais pas changé de truc là mais ça va donc euh, j'ai un truc très important à vous dire ok je viens d'être admis à mon examen. Wow. Donc ça mérite des applaudissements. Waouh, vraiment, wow. C'est un examen du baccalauréat Non, c'est FEPD c'est <laughs> bon, ce qui, est, qui vraiment important, c'est que j'ai échoué 50 fois, mais j'ai pas, pas baissé les bras. 9 give up. 9 give up. Ok. Hmm? Donc, après ces 50 échecs, ce que j'ai vraiment compris, c'est que le truc pour réussir, c'est de tricher. Non, excusez-moi, de travailler. <laughs> L'artiste s'exprime. Nigérienne Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Vous, vous rappelez certainement de l'artiste Issa Limouriste. Il répond au nom de Issa Salaw. Il a commencé l'humour à Maradi bachinko sunan fada Issa l'humoriste a débuté en 2017 il était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss Rim nous sommes dimanche même heure même fréquence on va seulement changer un tout petit peu les choses. Parce que au jour d'aujourd'hui, nous allons parler en question des prestations de l'artiste Issa Limous. Nous allons parler un peu de la production, de la diffusion et nous allons aussi parler des projets en question de l'artiste, l'avenir de l'humour au Niger. Je vous dis une chose, mesdames et messieurs. L'avenir de l'humour au Niger repose sur les épaules de ces jeunes. Vous vous rappelez certainement de Wanuski, on l'a reçu sur cette émission. Vous vous rappelez de Ibo, on l'a reçu. Sayo, on l'a reçu. Vous vous rappelez aussi, euh, bien évidemment, euh, de, euh, parle-moi notre, de, notre comédien On a ah. reçu Tchacho sous cette émission. On a reçu Barapro sous cette émission. Ah ouais, tu suis de près, toi. Ah ouais, je connais tout le monde. Donc nous, nous savons déjà ce que vous valez, valage, valorisation des... va, ce que vous valent. Bon, ils ont compris. Tout simplement. Voilà. Ça, on se casse la tête pour faire un bon français. Vraiment. Quoi. Il faut juste comprendre. On comprend. Et puis, on n'est pas obligé de, parler français. Hein. L'essentiel est qu'on parle le français pour permettre à tout le Niger de nous comprendre. Ah, Est-ce qu'aujourd'hui, sur cette émission, tu peux me parler de tes prestations, de ce que tu fais ou ce que tu as déjà fait et de ce que tu comptes faire pour la patrie. On va emprunter le terme de Thomas Sankara. La, patrie, ou la, mort, nous vaincrons. Pour la patrie, qu'est-ce que tu as fait déjà pour la patrie, ce que j'ai fait déjà. Qu'est-ce que tu as fait déjà C'est qu'on a fait beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos. Beaucoup de scènes. Beaucoup de scènes. Et maintenant, il y en a aussi ceux qui ne sont pas au Niger, qui nous connaissent. Qui arrive. Ce qui arrive, c'est du lourd. Du lourd. Parmi ces vidéos qui sont déjà disponibles sur ta page, est-ce qu'on peut avoir quelques-uns qui t'ont plus marqué Quelques-uns qui m'ont plus marqué, il y en a. C'est ma première vidéo qui a déjà fait 100 et quelques mille vues, 165 000. 165 000 vues. Ta vidéo a parlé de quoi ça, c'est une vidéo que j'ai fait avec Fanny. Tu connais Fanny hein? Je connais Fanny, voilà. la fille qu'on doit aussi recevoir sur cette émission. Donc, c'est une vidéo où je marche avec elle, je suis en train de la draguer, elle, elle ne m'écoute pas. Ok il y a des gens qui passent et qui me disent hey, eh, c'est Salimou, c'est moi. Donc ils disent on peut faire un selfie, on, prend le selfie. Après, je donne mon lettre au gars. Après, un deuxième vient, on prend, je donne ma veste. Après, Ainsi un, troisième, vient, je donne mes chaussures. Et, c'est là, en fait quand tu as blasé la meuf. Oui. C'est là, elle dit elle-même, elle, elle, elle, est avec Ah, ok. Donc elle a pris le selfie. Elle est partie, je lui ai donné mon numéro. C'est même pas moi qui ai pris son numéro. C'est elle qui a pris finalement ton numéro parce qu'elle a vu une Insta Tout le monde veut faire selfie avec toi. là. Ok. là, c'était un coup monté. Mhm. Après, quand elle était partie, je sais pas, elle, a, fait un semblant comme si elle a fait. Elle a perdu le numéro. Ok. Elle a vu là où je suis parti. Ok. Elle m'a suivi. Mhm c'était mes amis. Bien sûr, c'était, ah, tu étais en complicité avec, tes amis. Ok. Et j'étais là en train de récupérer mes affaires quand elle nous a vu. Ah, t'es foutu. Ah, c'est ta toute première vidéo. Non, non, c'est pas ma toute première vidéo. Mais ah, ben c'est une des vidéos qui t'a plus euh, boosté. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée du nombre de vidéos que tu as Juste une estimation, c'est que c'est beaucoup. c'est beaucoup. Sur ta page. Parce qu'on doit faire la promotion de ta page tout de suite. Il y en a beaucoup. Hein. Sur ta page plus d'une cinquantaine de vidéos. de de l'artiste Issa Et tu travailles avec les deux autres comédiens Oui, je travaille avec les Avec qui et qui Ibu, Abakar, Abakar, Abdul, Mayo, Majo. Majo. Fanny. Fanny. Oh, tout le monde. Tout le monde quoi Tout le monde Oui. Tous qui sont. Euh... Tout ce qui est dans la comédie. Oui, et tu tapes avec eux. Super. Maintenant, puisque l'humour ou la comédie a de l'avenir au Niger, est-ce que tu as un message à l'endroit de tes frères humoristes qui regardent cette émission pour que je suis lâché ouais. su san never give up never give up kalla mes frères humoristes comédiens et tout restons soudés comme on est gardons le cap continuons de travailler comme ça faisons plus de vidéos et voilà ça va aller tout simplement le message on espère qu'il n'est pas rentré dans l'oreille du sourd Issa l'humoriste la machine dit vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Voilà, de retour à la FADA. Comme je le disais, euh, tout de suite, euh, vous pouvez participer à nos échanges en composant le numéro 80 06 88 54 et recevoir euh, l'ensemble des contenus du studio Kalangu. C'est simple. Vous écrivez Gênes et vous envoyez sur WhatsApp travers ce numéro et là, vous aurez toutes les productions du studio Kalangu sur Istati. L'actualité, tout, que ce soit Fada, tout, tout, tout, vous l'aurez euh, sur vos Istati et et de là, c'est parti. Vous êtes euh, au bain de tout ce qui se passe euh, sur le Studio Kalangu. Voilà, on connaît Manti Dondino Gono, c'est moi, Abib Garba, On est en train de parler des difficultés de l'entrepreneuriat ici à Arlita. Nous sommes avec euh, Abdurazak Jibo, avec Hassan Zakou, euh, Rabi Ibrahim, euh, Salisu Murtala Ngwaquoi, Ali Ousmane, Abubakar Moussa, da mo Shamsu Hashimu Munga, mo Alkason Kabu Kabu Boray, Neo Iwakilono. On va aller maintenant voir dans la deuxième partie de quoi il s'agit. Chers amis, vous pouvez nous dire ici à Arlit quelle est l'activité qu'on peut implanter et que ça soit vraiment durable feri ni ni amma feri aujourd'hui tu es là et demain voilà tu changes encore d'activité parce que tu n'arrives pas à bien n'est quelle activité on peut vraiment faire ici dans la ville d'Arlit que on peut dire voilà euh, c'est parti pour toujours des conseils pour nos jeunes frères qui euh, n'ont pas encore commencé euh, à entreprendre euh, Razak, ah, il faut nous porter

vous êtes dans l'agriculture. Vous avez commencé avec ça ou bien euh, vous avez commencé ailleurs avant d'atterrir dans ça De shi kuka fara ko ko kun wani abu ne na ba bah. travers la promotion na same shi da mi fara aikin da na harko mm, mm. karatu ne ke yi ta okay e na yi karatu ina cikin karatu da na yi karatu karatu ban kai inda nake da bukata ba tukwa da na samu promotion din ta agriculture kawai sai na gani in koma harkar shekin sai me ke kuma alhamdulahi ina yin cikinta ina yin harkar shekin kuma saba ali ina samu komi bakin gurguzu yanzu eh, matashin da ke tashi da basu fara wannan eh, aikin kamfanin ba yawala su wani shawara ne kai kana iya ka basu wani aiki ne in sun fara yi bai kai masu kyansa zai zama aikin su na dindindin a'a yau na ce musu ta wani aiki ga aikin noma ke ce musu zo su yi noma mana yau <laughs> gani nake mutum yanzu ya wani aikin kamar wanda ya shahi kamar su soma da su kuma kamar yari ya kan shi ne nake gani kawai eh, eh kenan amma noma cin gashin kankara kanka ne za ka yi eh, eh kenan ka gani in ka bunkasa ka dauki ma'aikata kuma su zanki maka aiki kana noma kana saida kana sarrafa alhamdulillah eh shine ina ba matasa shawara na su tashi sai kasi kasa a gwiwa su bar ba zai da sai an ta an yi wani ayyuka wani mai a'a wanga gunta sana'o'i namu da ayyuka hannu to su mai da hankali gare su surtu aiki na da nake musu tallaka ma marishe noma wanga su mai da hankali gare shi shi ma gaskiya dan duniya duk gaba ɗaya in ba a ci a ba ba amma zuwa neman wani aikin eh, kenan a ba da hankali ga noma. Vous êtes qui Présentez-vous et euh, dites-nous l'activité de laquelle vous êtes. Moussa Etok Aboubakar. Ok. Donc je suis le, le président de l'association Booster l'éducation ici à Arlit. Ok. Je vous souhaite la bienvenue. Vraiment, Studio Kalangu, moi je suis, euh, je suis parmi vos auditeurs. Hein. Si. Je suis euh, beaucoup de missions de Studio Kalangu et j'apprécie beaucoup ce qui se passe dans Studio Kalangu. Maintenant, pour revenir au thème. Oui. Euh, l'entrepreneuriat ici à Arlit. en un mot, pour ne pas être trop long, je veux vous dire qu'on euh, est avec une jeunesse très dynamique. Malgré tous les problèmes qu'on rencontre, c'est-à-dire euh, on est coupé du monde, que ce soit par les voies terrestres, comme votre chroniqueur vient de le dire, aussi, il faut le dire, par les voies numériques. On n'a pas accès à mettre en valeur les entreprises qui sont là, les jeunes agriculteurs ou bien les ou bien les gens de taxi-moto ou bien les gars de la tannerie qui est en train de faire ces activités, on ne voit pas leur impact un peu à l'international. Et du coup, on n'a pas, c'est-à-dire cet accès à la numérisation qui va faire en sorte que aujourd'hui toutes les activités que ces jeunes-là sont en train de faire sont promis. Et du coup, le bailleur ne peut pas voir les efforts qu'ils sont en train de faire ici. Et l'engagement qu'ils sont en train de vous dire, il faut comprendre que si c'est une jeunesse qui n'est pas ici à Arlit, ou bien c'est pas une jeunesse d'Arlit, vu le contexte, l'environnement, déjà c'est chaud et sec, c'est le désert, c'est isolé, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Mais quand même, vous voyez que, euh, à votre grande surprise, c'est une jeunesse très dynamique qui entreprend avec les peu de barrières du front qui se présentent par les efforts de nos autorités locales. Les jeunes sont un peu formés. C'est vrai, la formation, c'est pas une formation vraiment euh, à son nom parce que c'est juste la formation qui se limite au plan d'affaires. Donc c'est juste la formation qui te permet de faire un peu euh, de lancer. Maintenant, il faut des formations pour gérer ton entreprise et des auto-évaluations pour savoir comment ton entreprise évolue. Donc, il y a aussi ces facteurs. Les numériques, euh, quand on est en train de voir nos jeunes qui sont un peu dans la sous-région Maradi, Zinder, Niamey, sont en train d'évoluer dans l'entrepreneuriat numérique. Merci beaucoup. Là, on va on, on, va voir de l'autre côté euh, des gens qui font euh, tannerie. Muna gani ku da ce aikin fata ku wani matsala ne kuke nan ga samu ci wannan aikin. Assalamu alaikum. Sunana Yakubu Ubale ni ne president na matasa na Kire Efo. Lalle matsalolin da muke samu kama ba a dan rasa ba. Suke mm. yanzu abubuwa ne wanda kaman mu yanzu aikin hannu Miki. Ya ta a ce kama ba hakan gaba za a tardo mu. Bare man kamar bisa yadda muka iya shi. To muna neman kama partenar partenar wanda in suka samu suka zo kamar za mu samu abin namu ya bunƙasa suke gaskiya alhamdulillah tunda mun iya kuma muna neman matasa ga su ne yanzu hakan ga mhm. suna biye da bamu waɗanda za su muke fatan mu ma za mu kowa musu me amma problem kin mu guda kullum wannan rashin tallafi shine ke kwaro mu suke bayuwa kamar da yunwa a haubori mhm. eh, sai da ruwan ciki ake shan na rijiya mm. saboda in baka da komi cikin cikin ka bayuwa ka da hare goni ga oh, ya miskoide yawa oh. kagari to shi ne ni ma nake so mm. kenan dole ne inda muna da karfi abin gaskiya Bremen namu zai bunƙasa fiye da yadda ba a zato saboda in an ce maka Nijar babu wanda duk inda zaka zuwa an san wanga aiki na aikin hannu. To yanzu eh, ku aikin hannu kuce. An mun gani ka gayi matsalolin da kuke nan ga samu. Mun ga kuma kuna ta yaka kokari. Muke ba ku wannan kuzari. E dole ne kamar abin da yasa muke kamar samun kuzari gaskiya kuma akwai da dama waɗanda suke bayan mu kamar su ne suke ta cewa kamar mu kama jikin mu kamar kan mu wasa suke wanga abin shine zai kai mu ga inda muke so hmm. saboda in ka ce ka zamana shi ka san an ce babba ne diyar da za a yi in ka nemi shawarar babba dole ne zai kara ka hmm. eh.

zanga kurayo kikirgote kan irgma borayan ngine kan arlite kwarno kan morinda kwara gare halni kande feginyo ganera ni singu duri ga ifo defo wani seno irna habo wodi irbarim kebise kan mo kurayo irwo irga gayi irga avansi aramo irmi kebise kan bore go inge bon trampi bore kan ngine e borsinga duwai fo ara kwa to e di kande company te yan ikande jangal sanye bora mhm. kuna matano jangalo kina e jangalo kina wala kai kalsuru har kai kalsuru <laughs> wala ali usman yanzu a ga ra'ayinku an an kawo zancen kamfani an kawo zancen patanti ko mhm. kuna biya patanti eh a ah, ba mu biyan patanti mu <laughs> kai ba mu biyan patanti me yasa eh me yasa to abin da yasa kamfanin namu bai ida bunƙasa ba yadda yanda yadda ake ta mabaranta namu shiga biyan patanti mu yanzu mu da ke nema ma a kama mana eh an yana kama da wanda bai to bancin patentin da muke kama yanzu muna rage eh, shomaji na matasa muna samu musu aiki bisa kan noma mm. muna dan jawo su jikin mu mun noma wa su mu ba su talla saboda za a gani cikin gari yan kuraye ga suna an zuba musu karoti menene suna dan kewa da tumati kenan mun kawo gudunmawa mu fa mi kuma ya kamata mu biya yanzu tukwa kenan a bari har mu zama babba babban kamfani in sa lokacin na ya kamata mu biya wani patanta amma yanzu ni sai ce ba za mu biya wani ko muna kawo gudunmawa mu a kasa kenan ta <laughs> tausaya mana da wannan ko <laughs> okay eh, <laughs> mun je ka to wala eh, mashiya president to nkun fada wara bun boda dai <laughs> eh, borai tubar kali bagumo borwai ne wa kala ngano ga goida ay kulkan gati borai kan ga goida tayan wai borai de zankai ikul ngano gati wan president to se rabi ibrahim rabi ibrahim eh, yau menene masalolin da kuke nan ga samun cin wannan aikin ku muna samun matsaloli da dama don saboda inda aka buɗe mu kayan aiki bai ishe mu ba yara matasa suna so su shiga kowa yana so ya shiga ya koyi yadda zai ya shi ma ya koya ma wani to kan aiki bai ishe ka ba kenan dole ne sai an dan kakkama dai abin da ba za a rasa ba to tare da 'yan mata kuce aiki eh da 'yan mata muke aiki 'yan matan nan ya ne aiki yana nan ya ne kuce nan ga wannan aiki tun da an ce 'yan mata an ce sai a hankali wasu kuma uwayen su ne ba su yadda ma su zo su yi wannan aiki wasu kuma suna ta uwaye eh, su suke ma kamawa mm. gaskiya wasu uwayen su ma ne suke zo su tambaya musu wasu ubannin su ne ma suke zo su tambaya musu wasu kuma yaran da kansu su suke zo su tambaya da kansu mm. akwai matan aure har da matan aure wasu kuma mazajen su ne suke zuwa su tambaya musu mm. Eh. kenan ba ku samu wani matsala a gaskiya dai ba a samu mm. ya dinu voilà et eh, maintenant on va euh, souffler un peu en, musique eh, wani musique ne a, a kuna so a samu to musique sa maliyaro ko maliyaro ko maliyaro eh kuru musique kenan shi kenan a samu ne voilà Come on. Gansu Isaka Hindei et eh, Mukare Zamuchira wannan chroniqueur mu on va appeler notre chroniqueur Irga Jindida Olivier ga non kulka go Olivier mto kwaro ko Olivier se Olivier eh broda Olivier <laughs> eh broda <laughs> Voilà euh, Olivier tu as quoi pour nous dans le chronique Le euh, les rappels pédagogiques ah, alors ah ben il faut oui, nous rappeler le rappel pédagogique voilà. et comme annoncé en début d'émission je vais parler de l'impact que la route d'Arlit mm -hmm. peut avoir sur les jeunes d'ici okay. et comme on dit souvent pour parler de quelque chose il faut avoir la légitimité de la chose. Je suis avec les jeunes d'Arlit. C'est à eux que je vais poser les questions, ils vont me répondre. Ok, d'accord. Amis jeunes de la FADA, bonsoir, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à Arlit. Ici, l'économie des jeunes est basée sur le transport des personnes et la restauration et aussi le transport bien et aussi la transformation de certains produits comme le cuivre ou encore le cuir, si je veux bien m'amuser avec les mots. Eh bien, hier, nous avions parlé de l'importance des voies de communication, les chemins, les ponts et tout dans le développement d'une communauté, précisément l'état de la route d'Agadez à Arlit. Est-ce que ça a un impact sur votre développement ou bien votre activité économique. Qui peut me son avis Alors mon frère, je t'écoute. To gaskiya wannan hanyar ta rage wannan rayuwa kwarai kwarai kwarai kwarai ta rage wannan rayuwa. Eh saboda duk wasu abubuwa da suke yin tsada saboda hanyar nan ce. Ga transport yayi tsada. Sannan irin du abubuwan da za a kawo mana kayan kasuwanci da wani mai duk sai an kara musu kuɗi. Sannan da hanya na lahiya lau misali kamar mu nan da nake ce ma mu manoma muna iya tada moto zu cikin awa guda mu je a gada mu yo sayayya kayan iri mu dawo a kushe kuma mu ci gaba. amma saboda hanya yanzu ba ta da kyawu in ka ce za ka tafiya a garas kamar ka ce za ka durkune da kafa idan hmm. ku ka gani ya ne to gaskiya muna kira ga magabata na su kama jikinsu su kama mana Allah ya kama mana hanya ga ita ce arlit ko ba gaskiya in babu ita babu arlit hmm. si je comprends bien pas de route pas d'arlit ah pas ah, d'arlit alors la tante elle veut <laughs> ajouter quelque chose on lui donne la parole vous aujourd'hui vous êtes vous êtes une mère vous êtes euh, une sœur vous êtes en tout cas euh, une amie si aujourd'hui je vous demande chère amie en quoi la route d'Arlit à Agadez vous empêche ou bien empêche votre business de se développer Qu'est-ce que vous allez me répondre gaskiya harka ce sai dai a hankali saboda hanya dai kowa san ta ba ta da kyawu kawai dai a ce magabata dai su an kokarta su dan gyara mu ita eh mana dan saboda duk wanda zai tahiya tahiya da zai ba matsalar tahiya kake da rura matsalar hanya kake yi duk wanda zai tahiya da matsalar hanya yake yi kuma ga kuɗi an sa kuma ga kaya sun yi tsada kawai sai dai mu ce Allah kama mu <laughs> Amis auditeurs et auditrices, vous aurez tout compris. Les routes et les chemins de fer ne sont pas des infrastructures de luxe. Ils contribuent au développement économique des communautés et rassure sur un lendemain meilleur. Avoir un jour une route praticable fait partie sûrement des attentes des jeunes de la commune urbaine d'Arlit. Mais cela n'est pas possible sans l'engagement des jeunes et la volonté des pouvoirs publics. Au Niger, nous avions eu la chance d'avoir un nouveau gouvernement et nous espérons aussi avoir d'ici là un nouveau chemin de fer ou bien, pourquoi pas, une nouvelle route d'Agadez à Arlit ou encore d'Arlit à Niamey. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. Merci Olivier. Applaudissez pour lui. sondai <laughs> irwana fakare kokora mantikala kala borai kenga goida kurai te yango ibonno irga fakare yau abocina kai zamu ba eh, zancen karshe a wannan rayirin mi ya kamata yi muku dan a ce wannan masalolin duka sun kare eh, madalla kamar bisa aikin fata mu abin da muke so finan sama muke so ya kamata magabata su ji tausayin mu mu matasa kullum da mun tashi sai a ce matasa amma da an tarro mu sai a ga kamar ba haka ne ba amma kuma kullum duk lokacin da za a wani abu matasan nan ne har yanzu da su ne ake ta gwagwarmaya to me yasa ba a mana abin da muke so suke inda ana mana abin da muke so dole ne duk abu menene kake so ifo ne abin da nake so kawai a kama matasa a zanka musu abubuwan da suke so menene abubuwan da suke so yanzu ina aiki ne akka mini kayan aiki a ce mini in yi aiki dole ne kenan kaga zan samu matasa waɗanda za ni jawuwa ba mu rage shomer ba mhm. yanzu cikin kashi ɗari na kamo kashi ashirin na zo na sasu ba mu rage shomer ba kenan kaga shine iyaka ta kukan mu ke kuma za ni magana bisa wagga hanya bisa wagga hanya wallahi inda a ce suna tawowa basa mota da sun ga tausayin mu ke abubuwan nasu tsakanin su ne yanzu in an ce maka babba zai towa sai dai to ta jirgi inda ya biyo hanyar gada ya shi kukan talaka suke dama abin daga talaka ne yake tashi talakawa duk mu ne kashan wala da in lokacin nan ka uku kake biya ka tai agaris yanzu abin da zaka biya ka bakwai da rabi to saboda Allah ne yanzu an mini mutuwa na je na ba da ka goma sha biyar a lere turu to nawa zani kai wanda ya mutu eh kenan shine muke san gwamnati ya ji kukanmu mu kullum muna kai mai yana ya kamata ya shafe mana hawayenmu a ɗan rago mana mu ma abin da za samu wanda in mutane suna ɗan nesa mu ma mu kai musu abin da zamu mu samu saboda yawa madalla ni ma na gode studio kalangu merci Voilà, eh, amis auditeur eh, auditeurs, auditrices du studio Kalangu, Ainsi s'achève l'émission Tous à la Fada de ce soir. Hunkuna nemeno irwana furtaje la baro ker so la ranse manti dondino mat famda bibu garbono hunkuna la diwa nemenirga gayi irgaran fondo dusuro ko karo arlit furtaje ingay no irmamo iwan bin heno ankanga ti kampana do zama ine haykul asigen sandai sandai kulkan igonoglu ini kabirse yaden mono aram furtaje neno irgaran gorbani kadde fonoya bye bye